92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Guédiouaï 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamegun 1 cas, Liberté 6 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoun 1 cas, Yerah 1 cas, Malika 1 cas, Djamnyadjo 1 cas, Kebemer 1 cas, et enfin, bas, 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour,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 ci junni ak juróomi test yi ñu def juróom ñoo ci positif maanaam juróom di ay cas contact di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci géejuwaay ñett ci Rufisque benn ci Mbao benn ci Diamaguène benn ci Liberté benn ci Bambilor benn ci Kounoune benn ci Yaraax benn ci Malika benn ci Diamniadio benn ci Kébémer ak ñeent ci Touba téeméer ak juróom benn malade yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñetti malaat ñu ngi ci suñu service réanimation ñu koy wax service sauvetage ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi nañ fi ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn kaa yoo xam ne kaa positif la ñetti junni ak juróomi téeméer wër nañu ci juróom fukk ak juróom benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale nous Dolly di sommes askan yi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam di